forum district le forum district do kalam gum le forum district do kalam gum le forum district forum kalam gum le forum district do kalam le forum district do kalam le forum district do kalam le forum district do kalam le forum district do kalam le forum district do kalam sachez que nous vous suivez à travers 20 radios partenaires euh, disséminés dans les 8 régions du Niger. Vous suivez en direct les programmes du studio Kalangou, 18h15 minutes à Niamey partout au Niger. Au micro, Diallo Mariama Kenda. Le forum du studio Kalangou traite de vos préoccupations, des, des sujets de tous les jours. Le forum du studio Kalangou, on en parle chaque semaine et c'est du lundi au vendredi. C'est avec plaisir que je vous retrouve, fidèles auditeurs. Merci de préférer les programmes du studio Kalangou. Notre objectif, c'est d'être avec vous au cœur de vos préoccupations. Restez avec nous pendant 45 minutes d'horloge. Euh, c'était le 20 mars dernier. Nous en parlions déjà de la Semaine internationale de la francophonie. Le français est cinquième langue la plus parlée au monde avec 274 millions de locuteurs représentant 4% de la population mondiale estimée à 284 millions en 2015. Le nombre de francophones approchera les 700 millions en 2050, soit 8% de la population mondiale et 85% de ces francophones seront en Afrique au fait de la croissance démographique. Ce soir, nous débattons de la francophonie comme institution, de la langue française comme langue à travers le monde, de sa progression et de sa qualité dans le monde et au Niger. Enfin, nous soulignerons les avantages qu'offre l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, avec euh, nous dans ce studio et même hors de studio. Nous commencerons avec bien sûr M. Sissé, M. Maïdaji Amadou. Monsieur Maïdaji Mahamadou. Oui, il est déjà en lien avec. Bonsoir, Monsieur Maïdaji Mahamadou. Bonsoir, madame. Donc, vous êtes euh, le président de l'Association des professeurs de français du Niger. C'est bien cela Oui. Merci infiniment euh, de participer à cette émission et nous sommes également en compagnie euh, de, de Adamou, écrivain célèbre nigérien. Bonsoir, monsieur Adamouide. Bonsoir, madame. Fidèles auditeurs, bonsoir et merci de rester avec nous. Alors, je le disais tantôt, je suis en compagnie de M. Maïdaji Mamadou, président de l'Association des professeurs de français du Niger et du célèbre écrivain Idé Adamou. Bonsoir à tous. Une fois de plus, nous débutons cette émission avec la définition de la francophonie. Et qu'est-ce que c'est la francophonie C'est avec donc le président de l'association euh, des professeurs de français au Niger, M. Maïdaji Mamadou. Bien, euh, la francophonie, on peut dire que c'est l'ensemble euh, des populations qui parlent français, ou plutôt l'ensemble de l'espace où se trouvent les locuteurs de la langue française. Et que cet espace euh, effectivement à faire euh, de la langue française euh, une langue de culture, une langue de paix, une langue de développement. Donc c'est tout cet ensemble-là de francophones, de cet espace-là qu'on peut appeler francophonie. Monsieur Idi Adamou, célèbre écrivain, votre définition de la francophonie. Euh, bien, euh, c'est un peu euh, difficile si on peut retourner au, passé, voir un peu les pères fondateurs qui ont porté cette, organisation internationale sur les fonds bâtissements. je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure le, premier intervenant. Monsieur Maïda Mamadou, le président. il a raison de dire que c'est tous les pays au monde dans lesquels euh, le français occupe soit le statut de langue officielle, soit le statut de langue étrangère. Donc c'est les pays qui ont le français en partage. Et c'est justement cette langue que les pères fondateurs ont mis en avant pour proposer une solidarité mondiale à tous les pays qui partagent cette langue, soit comme langue officielle, soit comme langue étrangère, mais ils sont locuteurs de cette langue. Comment est composée cette organisation M. Maïdaji Mamadou, euh, président de l'association des professeurs de français. Comment est composée cette organisation Comment est composée Comment est composée Oui, l'organisation. Oui. Non, on ne parle pas en termes de composition de l'organisation. D'accord. En fait, euh, c'est pour d'abord pour un premier temps, euh, une première étape, euh, c'est un certain nombre de pays qui ont accepté euh, de partager la langue française, de partager la culture, puisque c'était d'abord, et de partager la coopération culturelle et technique, c'était d'abord la CCT, et ensuite, le temps aidant, c'est devenu un ensemble, l'ensemble de l'espace des pays qui, qui partagent la langue française mais aujourd'hui, dans la francophonie, vous n'avez pas seulement que des pays francophones. Vous avez également des pays anglophones qui sont membres de la francophonie. En fait, euh, le plus important au sein de la francophonie, c'est d'aller ensemble en partageant la langue française. Aujourd'hui, nombreux sont des pays et de par le monde entier qui ont pour langue officielle l'anglais ou l'arabe, ou même d'autres langues comme le mandarin, mais qui se trouvent être membres de la francophonie ou pays observateurs au sein de la francophonie. Donc ce n'est pas en termes de composition, c'est en termes de partage. Puisqu'on peut partager cette langue-là, puisqu'on peut créer des liens, des relations à l'aide de cette langue-là, tous les pays qui accepteraient de venir dans ce groupe-là pour partager cette langue-là et conséquemment tout ce qu'elle charrie, notamment tout ce qui est culturel, sportif, euh, paix, développement, démocratie, culture, etc. Tous ceux qui accepteraient donc de venir partager cette langue-là ces cultures-là, la diversité, en fait, l'aspect essentiel, en tout cas très important de la francophonie, c'est la diversité. La, euh, diversité. pas en termes de composition, mais on parle en termes de partage. C'est bien noté, euh, euh, le président de, l'association des professeurs de français du Niger, M. Maïdaji Mamadou. Et Idé Adamou, euh, écrivain nigérien, est-ce qu'on comprendrait mieux euh, euh, cette organisation si on remontait peut-être depuis sa création Bien, peut-être que je dois souligner que j'ai travaillé à l'intérieur de cette maison, la société, pendant 11 ans, de 85 à 96. Donc j'ai pu vivre de l'intérieur un peu euh, des changements progressifs que cette organisation a connus. Mais rappelons quand même que euh, on, peut parler d'organisation dans le sens où, euh, lorsqu'il a fallu mettre en pratique les idées généreuses des pères fondateurs qui souhaitaient une, une coopération nord-sud et sud-sud sur le partage du français, il y a quand même eu des problèmes d'organisation. Et je crois que il faut souligner ici le rôle crucial de bâtisseur joué par le président, notre président Feu Amani Djouri, qui a été vraiment, euh, l'artisan, au vrai sens du terme, euh, de la coopération francophone. Pourquoi Parce que c'est la seule organisation au monde qui regroupe à la fois des États euh, souverains, des gouvernements participants et des observateurs. Il n'y a pas euh, d'autres d'autre schéma dans le monde. Euh, les organisations internationales, c'est des États membres souverains qui y participent. Mais euh, l'organisation de la francophonie se caractérise par cela. Qu'est-ce qui s'est passé Il a fallu résoudre le problème dès la création. le président Diori, avec toute son ingénierie politique qu'on lui connaît, a eu à affronter deux problèmes majeurs d'abord la réticence de la France elle-même pour créer ce mouvement, parce qu'elle sentait qu'il y avait peut-être... Elle, ne voulait pas qu'on la traite de néocolonisatrice à travers la langue. Elle ne va pas y échapper pourtant. Ah, donc, euh, il a fallu que le président Diori fasse avec ça. Euh, deuxièmement, euh, le Canada, à travers sa province, le Québec, était poussé à prendre corps à ce mouvement parce que, souvenez-vous qu'en 68, le général de Gaulle avait, au cours de sa visite euh, justement au Canada, avait proclamé Vive le Québec, vive le Québec libre, ce qui pose des problèmes politiques importants au sein même du Canada. Alors, euh, dans la démarche pour faire l'organisation, il a fallu que le président Dury tienne compte de tout ce contexte, puisque euh, le Québec était porté par la France pour développer le français et euh, ça ne pouvait pas ne pas influer sur euh, la, caractéristique même de l'organisation, puisque à Niamey, euh, il était présent non seulement la France, malgré les réticences, mais aussi le Canada, pays souverain, et le Québec, province du Canada. Alors, comment faire pour que tous ces pays se réunissent ensemble avec les drapeaux sur la même table Voilà un peu un égordien il a fallu vraiment beaucoup de stratégies, beaucoup de stratégies pour le président Jury de le faire asseoir ensemble pour adopter la première charte de l'organisation en 70. Alors, euh, nous allons vous permettre, fidèles auditeurs, de, mieux, de, comprendre davantage euh, cette implication euh, du président Feu Yamani dans, dans, la création de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est avec l'enseignant Maboudou Gibault. voilà, à travers ce son, cet entretien que nous avons recueilli, eu, pardon, avec lui le 20 mars dernier à l'occasion de la Semaine internationale de la francophonie. La francophonie, c'est une organisation qui a été créée par l'instigation souterraine de la France pour euh, faire la promotion du français comme langue à travers le monde et de la culture française à travers le monde. Or, euh, une telle promotion ne peut se faire en cherchant à rassembler autour de la France les différents pays issus de la colonisation française, c'est-à-dire le Canada, l'Indochine, les pays d'Afrique noire, Madagascar et les îles, tous ces pays qui, à un moment de leur histoire, ont été conquis, colonisés par la France et qui ont gardé un souvenir. Parce que la bataille du XXe siècle, c'était la bataille linguistique, la bataille culturelle. Alors que euh, l'espagnol a dominé le monde à un moment, l'anglais a pris dessus, notamment avec euh, la naissance et l'émergence des États-Unis d'Amérique. Et le français qui était la principale langue savante 17e, 18e, 19e siècle, le français a périclité et le français risquait de perdre sa position dans le monde. C'est par rapport à cette perspective que la France a toujours caressé le rêve de maintenir le français comme langue de travail, comme langue officielle de ses anciennes possessions et qu'il a été suggéré à certains chefs d'État, notamment Diori Hamani du Niger, Abi Bourguiba de Tunisie et Paul Sédar Senghor, pour mettre en place une structure qui va rassembler au départ les principaux pays locuteurs du français. Évidemment, cela va évoluer ça ne va pas être seulement les pays francophones, ça va être les pays, les États et gouvernements ayant en partage le français. C'est-à-dire qu'à un niveau ou à un autre, ces États utilisent le français. C'est le cas par exemple de l'Égypte, qui en dehors de l'aventure de Napoléon et de François Champollion, 1922, n'avait rien avec le français. Mais par exemple à l'Égypte, ça a permis de mettre en orbite un de ces Samboutros Boutros Ghali, qui en est devenu, qui est devenu le secteur général de la francophonie. Alors l'avènement de, la francophonie euh, au Niger, ou domaine de l'adhésion du Niger à la francophonie. En fait, euh, Parlant du Niger, on ne peut pas parler d'adhésion. Le Niger est un des acteurs, c'est un des géniteurs de la francophonie dans la mesure où où le projet a été confié à Diori, principalement, même si on veut mettre au même niveau euh, Abib Bourguiba et Paul Sédar Senghor pour euh, son envergure intellectuelle. C'est Diori, par sa diplomatie, qui a essayé euh, de réunir l'ensemble des pays et gouvernements ayant en partage le français. Et la première réunion devait avoir lieu à Niamey. Elle a effectivement eu lieu le 20 mars 1970. Euh, Mais il fallait le tact diplomatique de Diori pour réussir à faire aboutir cette rencontre. Le débat a été qui allait représenter le Canada. Jory, par son tact diplomatique, a réussi à faire venir aussi bien les gouvernements provinciaux du Nouveau-Brunswick et du Québec que le gouvernement fédéral du Canada. Et le sommet s'est finalement tenu à Niamey le 20 mars 1970, qui a donné naissance à l'Agence de coopération culturelle et technique. Parce que dans le contexte des années 60, toute autre formule aurait apparu comme étant une forme de néocolonialisme, une forme de recolonisation. On a donc voulu en faire une agence, une agence culturelle, une agence de coopération L'association culturelle et technique qui, en réalité, visait juste la promotion du français langue et du français culture. Et c'est l'ACCT qui a évolué pour devenir aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie qui est appelée en abrégé la francophonie. L'enseignant-chercheur Mamoudou Jibo, Monsieur Maïdaji Mamadou, euh, une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre Allô euh, je vous perçois très très mal, mais tout ce que je peux faire, comme tout ce que je peux avoir comme euh, réaction face à mon professeur, à mon aîné Mahmoud Djibo, c'est vraiment confirmer ce qu'il a dit. Euh, en ajoutant juste euh, un certain nombre d'axes que euh, la francophonie a pris comme euh, des axes essentiels parce que à sa création, elle devrait s'occuper essentiellement euh, de la culture et de la coopération technique, mais le temps aidant, comme je disais, et avec l'évolution la francophonie a pris un certain nombre d'axes essentiels et stratégiques euh, pour contribuer au développement des nations, notamment d'abord, on ne peut jamais oublier le rôle moteur que euh, la francophonie joue dans la promotion de la langue française. Alors, alors président, Président, euh, je vous rappelle que vous êtes là en train de parler des, avantages euh, de cette organisation. C'est une question qui allait venir un peu plus tard, mais allez-y. Et, on pourra revenir sur un autre son quand même pour avoir une autre euh, notion de la Oui, oui regardez, vous m'avez collé un appareil à l'oreille. J'ai pas de poste, j'ai radio pour vous suivre. Mais vous êtes en direct, euh, en tout cas du studio Kalangu. Nous, on vous entend parfaitement ouais, bien. Rendez-vous compte que je sois avec un, cellulaire à l'oreille pendant une heure de temps, c'est pas supportable. Nous allons donc euh, continuer cette euh, émission avec l'écrivain nigérien euh, Ide Adamou. Et donc, par rapport à tout ce que, je sais que tout à l'heure, vous avez quand même expliqué ce rôle géniteur euh, du Niger euh, dans la création de la francophonie. Alors, euh, nous allons vous permettre quand même d'écouter une autre réaction. Et une autre définition, celle du franco-tunisien, très francophile. Il s'appelle Hugo Paul Sada. Il a été journaliste notamment à Jeune Afrique, à Radio France Internationale, puis conseiller pour l'information et la communication et porte-parole de l'Organisation internationale de la francophonie de 2003 à 2007 aux côtés du président Abdou Diouf. Il est aujourd'hui conseiller spécial pour le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Igo Sada était en visite au Niger dans la semaine du 20 mars dernier. Il a expliqué au micro de notre reporter Amadou Moumouni ce qu'il faut entendre par la francophonie. Vous avez la francophonie avec un petit f euh, qui est la francophonie euh, hors de des États, euh, c'est-à-dire toutes les, les, associations, les réseaux, dans vraiment un grand nombre de domaines, dans le droit, de la santé. Vous avez des associations francophones de joueurs de Scrabble, vous avez des associations francophones dans le domaine de la médecine. Vous avez vraiment un maillage dans tous les pays du monde, sur les cinq continents, qui sont basés justement sur cette langue partage. Puis vous avez la francophonie avec un grand F, qui est la francophonie institutionnelle, qui est née ici en 71 euh, à Niamey avec la création de l'Agence de coopération culturelle et technique, euh, qui est devenue plus tard euh, l'Agence internationale de la francophonie. Et puis en 98, l'Organisation internationale de la francophonie. Donc il y a eu une vraie progression euh, de construction institutionnelle euh, qui a abouti à l'OIF, euh, à la création de l'OIF après une dynamique qui avait été impulsée par l'organisation des sommets de chefs d'État en 1986. Il y a eu cette nouvelle dimension. La francophonie est devenue aussi une organisation internationale et une organisation politique et a développé son, son volet politique sur euh, la démocratie, la paix, les droits de l'homme. Euh, euh une grande vision, hein, une grande vision. Beaucoup le disent, c'est une façon d'imposer la, langue à la suite de la décolonisation Non, euh, imposer certainement pas. Vous savez, il y a un, écrivain algérien très engagé qui s'appelle Kateb Yassine, qui a trouvé une formule vraiment formidable. Il dit, après l'indépendance de l'Algérie, il dit la langue française c'est notre butin de guerre. Ça veut dire qu'il y a un héritage et que cette langue française, euh, eh ben, tous les pays où il y a des francophones, euh, ils se sont appropriés cette langue et le français, c'était plus la langue de, seulement la langue de la France, mais c'était aussi la langue de tous ces pays et de tous ces gens euh, euh qui la maîtrisaient euh, et qui l'utilisaient comme euh, une langue de création littéraire, une langue de communication. Donc euh, dire aujourd'hui qu'on a imposé le français, oui, c'est vrai que pendant la période de la colonisation, euh, dans les pays colonisés, la France a euh, imposer, diffuser le français. Mais cette période, euh, elle est finie. Et il y a eu cette appropriation très forte par euh, tous ces pays du Sud qui se sont appropriés, qui l'utilisent. Et d'ailleurs, même dans le parler français, vous voyez qu'ils ont fait évoluer la langue d'une manière très très vivante, le français de Côte d'Ivoire, le français d'Haïti. Hugo Sada conseiller spécial pour le Forum de Dakar sur l'appel à la sécurité en Afrique, ancien euh, journaliste à Jeune Afrique. Monsieur Maïdaji Mamadou, le Niger, euh, où est née la francophonie Quel avantage le Niger aurait pu tirer de cela hmm, Aurait dit tirer, c'est comme si le Niger ne tire pas davantage. Tire alors Très bien. Hein. Moi, je pense bien que le Niger tire euh, des avantages, euh, même si on peut dire que euh, on peut encore mieux faire. vous le savez bien que dans le cadre de la francophonie, il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont menées, notamment dans le de la promotion de la démocratie, euh, de la promotion de la langue française et surtout dans le domaine de l'éducation. Et je m'en vais donner pour exemple un certain nombre de formations en ligne. Euh, c'est par le canal de la francophonie que beaucoup de professeurs de français sont formés notamment euh, par l'université Senghor, une formation en ligne, une formation de chef d'établissement et de 2010 à aujourd'hui, il y a plusieurs promotions qui ont reçu cette formation et la francophonie est partie prenante pour l'éducation pour tous. Et dans ce cadre-là, euh, euh, la francophonie actionne toute euh, activité porteuse pour faire en sorte que les élèves, disons les enfants nigériens, aillent à l'école. En termes euh, de paix, là aussi, la francophonie œuvre de façon très concrète pour que la paix règne au Niger. Vous voyez que c'est un certain nombre d'avantages, euh, paix, développement, sécurité. Et c'est vrai, comme je l'ai dit la dernière fois, souvent quand on parle de coopération dans les pays euh, peu développés ou en voie de développement, tant que ça ne rapporte pas des milliards, c'est pas tout à fait euh, cela, mais je pense bien que la paix, c'est quand même très important l'éducation, c'est essentiel. Et si la francophonie œuvre pour la paix, œuvre pour l'éducation, œuvre pour le développement culturel, je pense bien que là, il y a matière à satisfaction pour que nous puissions confortablement nous retrouver dans cette francophonie, œuvrer à travailler dedans pour que nous puissions avoir davantage. Rien que l'organisation des Jeux de la francophonie, moi je pense bien que euh, c'est un aspect très positif euh, euh, au nom de la francophonie. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des professeurs de français du Niger. Monsieur Maïdaji Mamadou, si on vous demandait eh, quelle était l'intention derrière cette idée de la création de la francophonie Écoutez, c'est une évidence que toute langue charrie une culture et que si derrière le français, c'est une évidence de dire qu'il y a là aussi la culture française, euh, mais, mais euh, c'est pas une raison suffisante pour dire que non, je ne vais pas apprendre le français. Mais du moment où le français est en train de devenir, vous l'avez dit dès au début, cinquième langue, et que le français me permet non seulement aujourd'hui de communiquer, aujourd'hui d'apprendre, aujourd'hui par le français je peux aisément communiquer avec les autres. Moi je pense bien que même s'il y a cet aspect culturel, je pense bien qu'il y a un aspect aussi positif qui est là, la communication et le développement. Euh, c'est vrai, je me sentirais plus à l'aise euh, si c'était une langue nationale, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'aujourd'hui je vais m'asseoir sur le français ou ne plus en parler français. Et le français, tel qu'il est aujourd'hui parlé au Niger, vous le voyez bien que c'est une langue de promotion, c'est une langue euh, de culture, vous voyez bien. avec vous. Une langue d'union. Une langue d'union, une langue d'union, parce que je peux communiquer avec tous ceux qui ne parlent pas ma langue maternelle, mais je vous dis que c'est vrai, c'est vrai que Sachari, et, il y a des aspects culturels mais euh, ces aspects culturels de la culture française, je, voudrais dire, le et là aussi des aspects positifs, euh, pas forcément négatifs. Restez avec nous, nous, allons euh, donner la parole à Idé Omaro, écrivain nigérien. L'intention derrière cette idée de, idée Adamou, pardon, l'intention <laughs> derrière cette idée de création de, de la francophonie, oui, euh, je l'ai dit euh, tantôt, ce n'est pas une idée euh, de, de, vouloir imposer coûte que coûte la, langue française. Alors, vous n'êtes pas totalement d'accord avec l'enseignant-chercheur le, Mahmoud qui parle la langue française comme culture. Non, langue française Non, je ne pense pas qu'on ait voulu, derrière cela, marquer une continuité de la colonisation. Ceux qui ont porté la colonisation ah, ont dépassé largement cette approche parce que justement, ils voulaient se servir du français langue de partage pour développer la coopération euh, entre les peuples. Ceux qui ont peuvent apporter quelque chose à ceux qui n'ont pas. Et faire la promotion de la euh, culture française. Par la promotion de la culture, à travers une langue partagée. Donc, euh, je crois qu'on a dépassé ce, ce schéma pour être dans un schéma vraiment de, de participation active au développement des pays ayant le français en partage c'est pas pour rien que la devise de départ était égalité, complémentarité et solidarité. C'était le, le, triptyque de base. Alors, vous ne pensez hein? pas qu'avec cette langue française, euh, et que la France reste vraiment dans ces pays africains euh, La présence le, français a même changé. Il y a un, français africain hein, qui, est propre. ici, on a même tenu un atelier sur le, Nigérien français par exemple. donc, je, crois qu'il euh, faut dépasser cet aspect. Et je, rejoins plus euh, M. Medaji parce que euh, là, il y, a beaucoup d'apports que, l'agence a apporté Peut-être que ce n'est pas suffisamment connu, on peut le dire. Déjà en 1974, c'est le Niger qui a été secrétaire général de la CCT avec Dandiko Lodo, qui a été élu en 1974. Il a eu deux mandats. Hein. Donc, à travers lui, il y a eu des actions extraordinaires, comme la, récupération de certaines chansons populaires culturelles du Niger. Il y a eu aussi l'opération Sahel Vert, qui a amené à Niamey les jeunes ressortissants de tous les pays membres de la francophonie d'alors, ici, pour planter des arbres. Hein. Donc, il y a quand même eu beaucoup d'actions concrètes à travers aussi euh, les programmes de soutien euh, et le développement des musées, euh, l'école internationale de Bordeaux qui formait des cadres techniques sur euh, beaucoup de secteurs et également euh, au deuxième sommet, ça je tiens à le dire, en 87, c'est le président Kounché qui avait insisté pour inscrire l'agriculture parmi les programmes prioritaires de l'agence qui était en train de se transformer. Donc quand même, il y a un apport positif du Niger dans le développement de cette organisation. Et nous partons pour la deuxième partie de, cette émission où nous allons suivre euh, une explication sur le rang euh, de, la langue française dans le monde et la contribution des pays francophones euh, africains pour la francophonie. Alors donc euh, le, français comme langue, vous parlez des objectifs de la francophonie, euh, le français comme culture. Aujourd'hui, peut-on dire que ces objectifs quelque part ont, ont été atteints Comment évolue surtout cette, euh, cette langue française dans le monde Mais je suis certain que sans l'organisation de la francophonie, le français ne serait pas aujourd'hui la cinquième langue au monde. Derrière, le chinois, le mandarin, euh, l'anglais, euh, le portugais, euh, non, l'espagnol et je crois l'arabe. Le français aujourd'hui la cinquième langue au monde. Et la France l'a préparé dans tous les cas parce que avant de donner l'indépendance à chacune de ses anciennes colonies, la France a signé des accords particuliers, dont le principal accord est l'accord sur la langue, c'est-à-dire que le français soit maintenu par le nouvel État comme étant la langue nationale, la langue de travail, la langue des échanges internationaux. D'office donc, le français est apparu comme une langue langue normale de nos États, alors que c'était une langue, c'est une langue étrangère. Alors maintenant, théoriquement, au Niger avec 17-18 millions, le Niger est francophone. Mais quand on regarde les faits, est-ce qu'il y a 2 millions de Nigériens qui parlent français La francophonie est restée institutionnelle et elle est restée une affaire des élites, au point où le peuple normal ignorent ce qu'est la francophonie. Regardez sur toute la bande sud du Niger. Par exemple, le Hausa de ces zones est plus truffé de mots anglophones que de mots francophones. Parce que tout simplement, l'influence du Nigeria, du point de vue économique et religieux, l'influence du Nigeria est plus forte. Donc, en réalité, le français est presque une langue des villes, une langue des élites, une langue des cadres, une langue de ceux qui ont été à l'école ou qui veulent apparaître comme des petits blancs. Le gros du peuple ignore le français ou ne peut baragouiner que quelques termes l'enseignant-chercheur Mamoudou Jibo, que serait le français sans les pays francophones Nous sommes avec le président de l'Association des professeurs de français du Niger, M. Maïdaji Mahamadou. Monsieur Maïdaji, est-ce que vous nous entendez oui, que serait le français sans les pays francophones africains non, non, non, on ne peut pas poser la question de la sorte euh, sans les pays francophones que serait le français. Le français, vous euh, voyez bien que euh, la francophonie, la société est née en, deux, en 1970 et bien avant cela, des cadres compétents nigériens existent bel et bien. C'est un atout que nous soyons au sein de la francophonie. C'est assez important pour le Niger d'être dans ce cadre formel de la francophonie, mais le français en tant que langue officielle et langue d'enseignement au Niger son évolution dépend beaucoup plus de la politique euh, au sein de notre propre pays d'abord. Alors, oui. alors, monsieur, l'enseignant-chercheur le, Mamoudou disait que le français est une langue d'élite. Une langue D'élite. Une langue d'élite. Oui. Oui, pendant longtemps, c'est effectivement une langue d'élite, pendant très longtemps. Mais voyez bien que c'est vrai, au Niger, nous n'avons pas cette tradition, mais partout, euh, à côté, au Burkina, euh, les paysans parlent français pratiquement. Au Bénin, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. C'est devenu une langue populaire et c'est un des objectifs que vise la francophonie, que les gens puissent échanger dans cette euh, langue-là. Mais euh, nous, au Niger, encore très jaloux de nos langues nationales. Euh, seule, effectivement, cette élite euh, qui a été à l'école continue à parler et à vouloir parler très correctement cette langue-là. Euh, mais l'objectif, c'est de partager et de faire en sorte que tout le monde puisse euh, parler cette langue. Pas forcément. Elle doit. Elle a été une langue d'élite, mais elle doit maintenant être une langue partagée par tout le monde. Alors, idée, Adamou, le, français dans les pays francophones africains, et l'apport de ces pays euh, francophones africains euh, pour la langue française euh, C'est un apport important. je disais tout à l'heure que le français n'est plus le français de France. Hein. C'est un français qui, qui a subi les transformations locales à travers la réalité vécue par les peuples. Euh, quand un Ivoirien parle français aujourd'hui, c'est sa culture ivoirienne qui transporte à travers cette locution-là. Ça s'appelle le nouchi. Ah, le nouchi, bon, ils ont même trouvé un nom. Donc vraiment, il y a un apport euh, extraordinaire qui est pris en compte et, qui vaut euh, comme apport des autres civilisations à la langue française. Donc je crois que c'est un apport positif et il faut peut-être dépasser l'idée selon laquelle... Euh, c'est une langue imposée ou c'est vrai, elle a été imposée. Nous, à l'école, on nous a même interdit de parler cette langue, mais on l'a appropriée, comme a dit Césaire, comme une langue, une arme miraculeuse pour être avec le monde et partager ce que nous avons à partager ensemble avec eux. Alors, sur, la qualité du français parlé dans le monde, particulièrement au, Niger, nous, allons une fois de plus écouter l'enseignant-chercheur Mamoudou Gibot Et il fait une analyse de la situation du français au Niger en, en 2017. Au début de l'école coloniale, au début du 19e siècle, Jules Ferry enseignait à l'école coloniale une ambition assez limitative. Former des cadres subalternes à même de tenir des registres pour assurer l'exploitation coloniale ou de servir d'interprète entre l'administrateur blanc et les populations taillables et colvéables à merci. Jules Ferry disait que l'ambition n'était pas de faire des savants car il fallait pas donner plus aux Noirs que de simples rudiments. Euh, malheureusement pour la France, cela va lui échapper parce que plus on avance dans l'exploitation coloniale, plus on a besoin de cadres mieux formés qui devaient servir les intérêts coloniaux. Et cela va amener l'école coloniale à aller au-delà de la formation d'interprètes ou d'agents, pointeurs pour former des cadres un peu plus complets. L'objectif de l'école coloniale va échapper au contrôle à l'encadrement français pour amener des Africains aller dans les écoles fédérales comme à William Ponty ou carrément d'aller en France pour suivre des études supérieures. Et progressivement, ces gens ont été formés. Mais ces gens ont été formés dans la perspective où la France n'envisageait pas l'indépendance de ces États. À partir du moment où ces États sont devenus indépendants et que l'exploitation coloniale devait se poursuivre et les États africains en accédant à l'indépendance, au lieu de réorienter la mission de l'école pour en faire une école de développement, pour en faire une école propre aux nouveaux États, une école qui va prendre en charge les besoins du développement, les vos États ont voulu poursuivre de la même foulée que l'école coloniale avec quelques réformettes, quelques réformes de façade. Si vous prenez le cas du Niger, pendant pratiquement toute la période coloniale, l'essentiel des enseignants nigériens était constitué du Dahomey, les Béninois d'aujourd'hui. On n'a pas voulu former assez de Nigériens. Alors, euh, la, langue française en souffrance au Niger, euh, euh, Monsieur Maïdaji Mahamadou, je rappelle que vous êtes le président de l'association des professeurs de français du Niger. Le niveau de, le niveau de, la langue française euh, euh, au Niger. Oui, mais vous dites niveau par rapport à quoi De la population par rapport au nombre de personnes qui parlent euh, le français, à la qualité du français parlé. Ah, oui, mais écoutez, le niveau c'est toujours par rapport à quelque chose. Si vous avez un comparatif, vous pouvez bien le donner et en ce moment, on peut bien mesurer pour dire que le niveau est bon ou il n'est pas bon. Alors, parlez-nous de la qualité de la langue française par, parlée au Niger. Euh, oui, mais la qualité, la qualité par rapport à laquelle des langues, quel est l'objectif qu'on s'est fixé pour dire qu'on doit atteindre tel objectif euh, euh, pour que l'on dise qu'on parle bien français tout ça, c'est des gens qui disent, on parle de niveau, de, que le niveau est trop bas, que le niveau n'est pas bon, mais, ben, mais niveau par rapport à quoi en réalité, il faut qu'on sache que la langue est dynamique. Et euh, mon aîné, il l'a bien rappelé que aujourd'hui, quand vous prenez même les Français, prenez tous les dictionnaires, les dernières éditions des dictionnaires, vous verrez que toutes les difficultés qui font de la langue française la langue la plus malléable et qui fait d'elle une langue euh, exceptionnellement riche, vous verrez que toutes ces belles tournures ont été supprimées pratiquement parce que l'objectif, c'est faire en sorte qu'elle soit plutôt efficace comme l'anglais. C'est plutôt l'efficacité qui est cherchée maintenant. De telle sorte, vous voyez par exemple les accents tous, euh, tous les élèves ont pendant longtemps été euh, sanctionnés par rapport à des actions. Vous voyez bien qu'ils ont supprimé ces actions dans certains cas. Dans les mots composés, beaucoup de choses ont changé. En fait, il faut bien voir euh, plutôt la compétence plutôt que la qualité on utilise la langue pour atteindre quelle compétence C'est en ces termes qu'il faut. Euh, ce n'est plus venir parler vers des poèmes. Aujourd'hui, madame, oui. aujourd'hui, euh, produisez des livres de poèmes, vous avez toutes les chances de ne pas les vendre parce que ceux qui vont les lire ne sont pas là. Mais par contre, essayez de faire en sorte que vous puissiez fixer un objectif et que l'objectif soit atteint. Voyez, là, la compétence est là. Aujourd'hui, on parle en termes de compétences à développer chez un enfant, par exemple, chez un apprenant. Qu'il parle, qu'il mette X ou Y ou qu'il mette E à la fin. Alors, ce qui veut dire la, qualité ou le niveau, peu importe, peu. Euh, idée Adamou. Donc, euh, vous êtes d'accord avec ce, point de vue aujourd'hui, la qualité de, cette langue euh, importe peu non, non, moi je ne dirais pas ça comme ça parce que euh, quand même euh, une langue a des exigences de, toute façon, que ce soit les langues nationales, euh, Aoussa, Germa, Peul, Tamashek, il y a des exigences d'écriture, de compréhension. Elle est en souffrance au Niger, cette langue euh, française elle, est en souffrance, il faut le dire. n'est pas pour rien. Lorsque quelqu'un ne sait pas écrire six, hein, c'est un problème. Euh, Alors, est-ce que cela est dû aux qualités des enseignants, euh, aux baisses de niveau, ah. à tous ces problèmes autour euh, du secteur, peut-être même de l'éducation Moi, je pense que M. Médage le vit même mieux que moi. Il est avec les enseignants. Donc, le niveau a certainement baissé. Et je crois qu'il faut travailler à. Puisqu'on est dans le français comme langue officielle de travail, il faut améliorer la qualité de ceux qui enseignent cette langue. Alors, M. Maïdaji, vous avez 30 secondes pour nous dire euh, exactement, euh, juste, que faut-il faire par rapport donc à cette langue française Vous avez parlé euh, de, du niveau qui importe peu. Non, je parlais plutôt de compétences à développer. Donc, allons-y avec vos termes. Compétences à développer, vous avez 30 secondes. <laughs> Oui, pour moi, pour que la langue puisse profiter aux apprenants, les enseignants doivent être des professionnels compétents et on ne peut pas maîtriser quelque sujet que ce soit si on ne maîtrise pas la langue française. Donc nos enseignants doivent maîtriser la langue française pour développer la compétence chez les enfants. Alors c'est la fin de cette émission, Monsieur Maïda Jimamoudou, président de l'association des professeurs de français du Niger. Mahamadou. merci infiniment d'avoir assisté à cette émission. Idé Adamou, merci également. Nous retenons que la francophonie a énormément d'avantages. Francophonie, organisation qui apporte donc euh, plusieurs avantages pour les pays francophones euh, africain, le Niger en a bénéficié et continue de bénéficier de ces avantages. Fidèles auditeurs, euh, merci d'être restés en notre compagnie. Au revoir.